Il s'agit euh, de classes en paillotte ayant pris feu. Donc nos secours sont partis euh, rapidement et euh, le feu a été éteint. Il s'agit à peu près de 21 classes en paillotte, mais malheureusement, il y a eu plusieurs victimes, à peu près une vingtaine d'enfants qui avaient été pris au piège dans ce feu-là. Quand vous regardez la configuration euh, du terrain. Et euh, là où les places sont implantées dans une rue, le tirage était euh, très fort et le pouvoir calorifique du feu était énorme, ce qui a permis rapidement l'embrasement généralisé de ces classes-là. Et malheureusement, les enfants n'ont pas pu sortir.